donc dañ koy yok amoon institut bi amoon na et c'était fonctionnel mais légui dañ ko dañ ci def ay ben extension pour euh, accueillir beaucoup plus de maladies xamna naa ni euh, dañ koy baye mu nuyu len lata ñu koy ñuy euh, ñuy dugg procéder à une visite déjà euh, madame Fall ñu ngi len maa ngi leen di fay di len sant di len gërëm ci ñew bi ngeen fi ñew set ci ñu ñu wax leen bëgg leen présenter centre de dialyse Saliou Fall bi nga xam association sénégalaise des hémodialysés insuffisants rénaux du Sénégal ñoo ko tabax tabax bi tamit euh, bi koy sabablu sénégalais bu ñu lekk def na ci dërëmam ak ñaar dërëmam ndax téléthon lañu ñu organisé woon depuis 2011 lañ ci jotoon a dajale ñu tabaxoon ci benn centre boo xam ne amoon nañ 18 générateur liggéey nañ ci pendant ñaari at léegi nag bi ñu demee ba xam solo bi centre bi am xam ne demoon nañ ba jël 65 malades yoo xam ne ñoo bokkoon ci cohorte bi ak euh, des malades yi nga xam ne c'est des malades de passage malades yi nga xam ne ay aigu lañ ak yi jóge ci yeneen région de te war a def si fii ay opération Dakar te amuñu place fii lañ leen doon jël donc centre bi ñu demee ba ñu xam ne solo bi nag mag na ñu defoon plaidoyer tamit bëgguñ ay di laajte ndimbal ci ndimbal googu nag euh, ci la ñu amee Ecotra mu ñëw ne ñu dinañu ko financer parce que projet d'extension bi mi ngi fi woon ñu war ko def nag léegi yokk ko centre boo xam ne 18 machines à 43 générateurs lay doon donc muy centre boo xam ne bu ñu waree liggéey dinañ jël gën gaa néew branchement bu nekk mën nañu am 43 malades léegi nga def ko ñett yoon ci bis bi mu nekk euh, nombre bu important donc te loolu dina bokk ci li nga xam ne liste d'attente bi ngeen dégg ñuy wax ci malaat insuffisants rénaux yi dina ko mën a absorber bu baax dina ko wàññi liste d'attente boobu bu baax nga xam ne malade bu ci nekk rek bis boo demee ba insuffisant rénal boo xam ne boo nee ba toll nga rek ci phase de dialyse di nga mën a am place boo mën a dugg pour ñu defal fa sa dialyse gratuitement yéen a ko déggandoo comme euh, mi ngi noonu présenté ne li nga xam ni moom moo am fii te li mu nar jëriñ askan wi donc dañuy dugg rek euh, procéder à une visite des lieux ñu wan leen lan moo xam ni moo fi amagum moo pareegum ak euh, ñoom it après daañu décliner seen feuille de route wax li nga xam ni moo di fii naka lay doxee ak naka la maladie di def ba mën fi yegsi mën fi faju sans pour autant am benn jafe-jafe ñu ngi leen di ñu ànd ak ñoom rek defandoo ñoom visite. médecin bi lay doon légui salle bi moy salle dialyse bi bi moy salle bi nga xamné fi lañ doon bi centre bi doon salle bi rek lañ amone bobu am nañ fi 18 générateur doon def deux branchements par jour à va 36 malades par jour lañ doon donc léegi nag euh, euh, yokk nañ ko léegi nag yokk ci kaw ak yooyu yëpp léegi fii mooy grande salle bi nga xam ne moo fi nekkoon. ay malade lay jël nii fi mu nekk rek 17 position moo fi nekk. ok lii waaw fii ngeen gis nii yëpp am kii nii fu ci nekk rek lal dafee war a nekk. fu ci nekk rek fii set moo fi war a nekk au waaw. Euh, waaw yéen a ko gis gis nga lii mooy lieu bi la leur plus grande salle bi nga xamni nenañ 17 euh, malades ñoo fi war euh, pour def li nga xamni modi moo di hémodialyse dañuy jall si benen pièce rek ñu wanaat ñuko comme ça ñu gën leen won ci biir. mais bi il semble être beaucoup plus petit. waaw bi salle VIP la lañ ko tuddee ñun ñenti générateur rek mo fi nek légui lan mo wutale salle VIP bi ak yenen salle. waaw li ko wutale mooy salvia VIP xam nga jalis euh, bi am na am nañ ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi koy def te tamit am na ñoo xam ñu bëgg sutur sutura te parfois tamit am na ci ñoo xam ne euh, cathéter yi ñu leen di fi ñuy nekk ci seen yaram il faut ñuy summeeku summi seen ay yéreeg yooyu te am na ñoo xam ne sutura soos lañ ci bëgg moo tax ñu def ay saa réservé leen ko fii fii parce que cathéter yi fi muy nekk tax ci seen yaram na nekk seen dënn seen loos comme mun na nekk tamit seen tànk fii nii ci kaw jege seen kii te lool tamit bu waree summeeku ci saal bu mag ñëpp nekk fa am na ñoo xam ne euh, sutura daal lañ ci lañ ciy sàkk bëgg rek moo tax ñu créé ay salle VIP pour ñooñu. <laughs> d'accord waa gis ngeen ko noonu la ko waxee nee fii mooy seen salle VIP bi parce que c'est réservé à certaines personnes yi nga xam ni ñoo am dayoo ci réew mi wala ñoo fi am ay ndombal tànk ngir gën leen yokk sutura faj ak yooyu moo tax ñoom ñu créer leen lii pour un peu plus de discrétion xam naa dañuy jàll feneen rek pour wan leen. waaw mais nag euh, euh, lu nekk salle VIP taxul ci mu privé bi privé bi. xaaj ba sax xalaatuñ fa egg incha mais définir guñ prix yi léegi nag ñeneen ñi nga xam ñu ci salle commune yi ñoom seen séance 10 francs la ñun en tant que association ñu ngi waxtaan ak CMU ak ministère suñu sañoon sax 10 francs boobu malade bi dootu fay. état da ko jël carrément en charge ñu ngi toog ay waxtaan def nañ ci ay atelier euh, conclusion yi nag génnagul mais am nañ ci yaakaar ne dina mën a sotti incha allah. CMU boobu dina am mën na am jeex jeexital ci li ngeen bëgg. Euh, euh, am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar parce que comme jot na def ay jéego te jéego yooyu wax dëgg yàlla gis nañ ne amal na njëriñ askan bi donc bu ñu leen gënee ñaax indi tamit ñun aussi suñu ay idée wax leen tamit li nga xam ne moom la askan wi.

amna na leneen luñ ci mën a yokkaat loolu daal amoon lu ma pour un premier temps kon boog di leen signalé waat présence su directeur bi hein, euh, monsieur Assane Sylla hein, euh, voilà je vous remercie. waaw loolu ay leeral yu am solo la mi ngi comme ni mu ko waxee rek y'a aucune appartenance politique euh, bi nga xam ne mën nañ ko mën nañ ko euh, revendiquer fii ci association bi mu wax association des hémodialysés euh, donte am na ñenn ñi nga xam ne ñi ngi ci kujeg politique gi te doon leen jàppale waaye ku fi ñëw ba ci bunt bi nee na da ngay simmi li nga xam ne moo di sa appartenance politique ak mooy sa appartenance religieuse moom lu mu mënti doon parce que feebar bi tànnul ku muy dal ñëpp lay dal donc képp ku ci mun a dugal sa loxo rek dafay mel na sa bopp ngay fagarul laata ah, bu la mm, pour bu la dalee nga am foo mu fi nga xam ne mën nga faa fajee sa bopp waaye dañuy continuer topp leen ci visite bi rek ah, comme ça ñu xam këfuñu parole bi waaye tamit am na benn wax précision de taille bu ñu def ndax centre bi donul centre masamba wala centre ma Demba ni nga koy gisee nii avant que dans le cadre de la responsabilité sociétale ñii di ñëw di ci jàpp muy waa ECOTRA dafa fekkoon ni Achir dafa def téléthon bu muy def téléthon bi nag xaalisu sénégalais bu nekk dugg na ci lu ëpp bokk ci sénégalais yi am ñu ci def dërëm am na ñu ci def ñaar dërëm am na ñu ci def téeméer am na ñu ci def ay millions. te nag loolu yëpp nga xamante jot nañ ko dafa am benn liste euh, bu ñu def ci benn euh, Excel boo xamante ni bu centre bi pare dinañ ko mettre en ligne ba nga xamante ni ku ci sa téeméer duggoon di nga gis ni ah man sama téeméer bi mi ngi nii ku say million duggoon tamit di nga gis ni kii donc centre bi du centre madame Fall du centre keneen mais centre askan wi la askan wee ko moom te ñoo ko jël def ci seen xaalis euh, dinañu nag remercier état yi fi jot a jaar pour lan parce que am nañu lu tubaab di wax une oreille attentive envers nous ndaxte tey damay wax ci politique du Jalise Sénégal et je défie képp koo xamante ni nek na ci réew mi di fi dund mu di plan d'action bi nga xamante ni Achir def na ko tax na mu am ay avancées significatives looloo tax nag oreille attentive bi nga xamante ni yi am nañ ko envers nous ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sat parce que au début amul woon politique de prise en charge boo xamante ni euh, leeroon na mais Achir dafa ñëw def li ñuy wax état des lieux diagnostiquer cette fépp foo xamante ni am na lënt-lënt fépp fu problème yamuñu ci loolu de bu ñu nee fii problème dañu naan yaakaar nañ ni lii moo saafara lii problème la yaakaar nañ ni lii moo saafara te mbind moomu yëpp mi ngi archivé ko saa yi ñu musaan bind danañu yónnee présidence yónnee primature yónnee ministère de la santé yónnee assemblée nationale yónnee tamit ci askan wi tas ko ci de presse

rendez-vous yi fay sori te malade yi pour ñu jot ci mëna dem def cathéter yi day xaw yeex donc ñu proposé ñun bëgg ko def fini au niveau du centre malade di ñëw diko fi def sé pour mu gëna a gaaw nga xamné attente bi ñu doon def li dootul donc li ay salle de soins la prévoir nañ def itam ben salle bo xamné salle échographie lay doon parce que ku wax malade euh, insuffisance rénale souvent fay soxla ay écho Doppler prise de sang defal ko ay analyse yu rapide xam fu comme ci liggéeyu déret la xam fu kiyam tollu bala ñu koy tëral ci machine bi diko defal dialyse donc euh, te parfois fi da ngay dem def analyse tay ñu la suba wala gannaaw suba nga koy jël ci ñun fi dañ fi bëgg def équipement yo xamné ne bu ñëwé rek ñoom ñu defal len dialyse bi en une minute on a les résultats avant ñu len di dialyser innovation yoy daal mu am na fi conférence lañ koy def parce que dañuy organiser toujours ay sessions ay réunions ay rencontres te Achir dafa am ay antennes dans chaque région du Sénégal fu centre de dialyse am ci Sénégal Achir am na fa antenne régionale

bien que amna master commencé nañ pour les tests de néphro waaye timit comme infirmier de dialyse ñom liggéey bi lu ci même néphrologue yi de dialyse liggéey parce que malade di di salle yi surveillance donc nous formé ci équipe bu mag bo xamné dinañ centre bi rek même nous formé du centre rek centre public yi nekk ci pour centre yooyu fonctionner aussi ci niveau maximal looloo tax euh, di leen signaler présence su madame Gaye euh, Ndeye maguet Ndiaye moy architecte bi euh momit toujours dans le cadre de la responsabilité sociétale ndaxte entreprise bopam la yoré wayé centre bi bu démé ba am 67 patients yu fi dialyser dialysé euh, ginaaw yalla comme niñ koy waxé dugal na ci loxoom parce que bu amul xaalis dafa di ñu dox leen ma la ngeen yor.

kéemaane bu doy waar boo xam ne jàppale rek la laaj te defe naa ne daal bu ci ñëpp jàppee rek day baax parce que bari nañu feebar ñu mel noonu ci sa famille dangay gis ñu feebar ñoo xam ne du ngay jéem ba sonn mais yàlla def li gën euh, ba ma waaw boobu nag man xale la

ndeysaan moom tamit dafa feebar feebar boobu moo ko dab mais moom àddinaam yëpp loolu la jàppale ñi jalise loolu rek moo nekk ci boppam te loolu rek lay dox suba ba jant su waaw te def na da ciy def alalam def si kër léppam vraiment loolu man seede naa ko gis naa ko léegi nag ñu ne ma madame Gaye 100 million ngi noonu centre lañ bëgg ah ma defal leen centre. centre bi mom mi madame Fall suis ubi commencé dialyser ba commencé met maladie, bare bare bare ba ba ah ci centre bi dañ ci étage bon man sama projet prévoir fondation pour un R plus mais ku euh, professeur Ablaye Abdou Abdou Abdou comme ambition projet bi R le professeur euh, non non professeur Le professeur Dalal Abdou ah, R plus 2 Nous avons ba centre de référence avons au moins 50 lits ah, madame Gaye avons lits ah ma nekkaat ci demaat commencé waat esquissé waat defaral leen projet bi pour 50 li ñu ne bon léegi kit ça prend trop de place léegi nu ñuy def ba mën am beaucoup d'espace pour que Kitty yi am stockage parce que stockage bi man souffle suuf laa ko bàyyi woon mais dem nañu ba nga xam ne stockage bi souffle suuf xajul lool léegi noonu lañ ko yéegale ah ñuy dem di dem di dem ba yàlla def projet bi taxawal ko di ci dox di ci dox bonne volonté di di ci def ku ci mën def rek matière grise def sama c'est-à-dire di ñëw di suivre waaw def parce que loolu la yàlla santaane def naa ko ci xaaruma ci dara ko def parce que ay malade ne dañ leen ñu dimbali leen. looy wax sa moroom yi nga xam ne ils ont ils sont tamit ces ressources euh, nu mu koy waxee ressources humaines yi nga xam ne ñoom euh, mel nañ ni yow am nañ ay entreprise donte bu ñu liggéeyoo ci ci ci wàllum architecture sax lan nga leen di wax pour woo leen ñoom ñu ñëw tamit jàppale ko. ah seede naa fii de am na ñoo xam ne aussi dans le cadre de leur entreprise ñu mel ni Ecotra dem nañ ci ba jeex tàkk parce que ñoom bu dul woon ñoom du ñu yegg si fii de wax fa dëgg yàlla. bu ñu leen woowee rek bu ñu yëgsee rek lu mel ni yàlla dafa ubbi woon nag Cheikh Amar ak ñeneen ak ñeneen ku lim juum waa port autonome de Dakar li ma gën a metti nag ci projet bi mooy président yi nga xam ne ñoo doon président Achir mën nañ ci lim de mën nañ ci lim mais feebar bi dafa nekk feebar bu féroce ki ci mujj ndeysaan da daan soox

nek ci xeyna vous êtes tout jeune cinéma dafa doon am géttu bay manam dugg ci fi nga xamanteni euh lol nak dang koy off parce que peut-être c'est un langage un peu vulgaire euh, fajo Té, am na tamit luñuy wax transplantation rénale transplantation rénale bi tamit euh, ñi ngi ñaan euh, autorité yu bessi comme luñu def ci jalis bi ba am gratuité nous avons vu nous avons en charge les malades. Parce que la transplantation de nous avons fait Mais il faut que ça soit pérenne, comme nous avons dit. Mais si vous faites des malades, débourser 10 à 12 millions pour nous faire la transplantation. Et nous avons fait des malades. Nous avons fait des malades. Nous avons fait des malades. Mais nous avons aussi financer Il est bien vrai que nous avons fait des malades parce que quand c'est gratuit pour toi il y a quelqu'un d'autre qui paye à ta place Waye nak, waw kañ waye nak, comme nguur mo wara a mo wara jangal, mo wara, mo wara, mo wara. ah ñun de Achir tooguñu di xaar li suñu ngor di indil wala luñu suñu rew di indil mais dañuy jema xol ñun tabit naka lañuy bokké ci ñuy defar rew bi et je n'en veux pour preuve buñu démé ba talal euh, dina am lu bëri loo xamante ni dina feeñ te lépp luñ la wax tamit dañ lay tegal preuve à l'appui ba pare nag ah maison de verre la maison de verre la am na fi tey ay kilifa yoo xamante ni on ne fait pas de la publicité pour vous dire que ñëw nañ fi soxla ay climatiseur après bu la dexee mun nga def ay ay këtan ñu jël Abdoulaye Dia bu Sénico bi nga xamante ni dañuy soxla ay climatiseur ñu dem seeti ko mu ne ñu ñaata la bëgg bind xaalis chèque bi jox ñu ñu ne ko duñu laal xaalis ñun kañ ñiy defar climatiseur yi nañu ñëw defar ko nga fay leen directement donc moo tax man la maison de verre la donc ñooñu doon na ay nit yoo xamante ni jàpp na ci Carrefour médical la même chose am na yu mu def yoo xamante ni xëy na bu ñu demee ba ci biir ah, danañ ko mun a leeral parce que damay bañ xaabaabal trop. mu mel ni dañuy def promotion tel ou tel autre wax nañ la ni ñun fi ma euh, de malade donc buanderie la cuisine parce que comme dañ fi prévoir crèche crèche hein? parce que ñun personnel dialyse bi actuellement presque ay 95 du personnel de dialyse ay c'est des jeunes dames qui en âge de procréation mm. donc dañuy am ay bébé souvent donc te xam nga ñun Sénégal rek bu sa jànk ñëwul doo mën a bàyyi sa doom bu sa boo amulee kooko dénkaane doo mën a bàyyi sa doom ci kër ga léegi nag da gàddu sa doom indaale boo ñëwee ñu téel la ko nga liggéey normalement ak xel bu dal boo posé ñëw xool sa doom daw li dellu ci liggéey booy wàcc yóbbaale donc moo tax bu ko defee kenn du absenté bu la jàmm rek dee dal doo absenté di nga ñëw liggéey si normalement ak xel bu daal toog tamit malade yi tamit dinañ def ay seeni séance normalement waaw parce que fii mooy ce sera le siège de l' association Achir waaw fii mooy siège u Achir bâtiment yooyu ngeen gis mooy bureau Achir yi le bureau du président du secrétaire général de la trésorier secrétariat ak benn salle de salle d'archive donc parti bale ñu jàkkaarloo foofu mooy doon crèche bi la lavoir lay doon fi la jappé ak yépp mhm. donc fini salle bi ngeen gis ni ce sera vitré moy euh, salle de réunion pour association bi Achir parce que Achir encore une fois est différent du centre de dialyse Saliou Fall parce que ñaari beaucoup bokul la parce que Achir bi mu tafeexee centre bi daf ko mettre à la disposition du ministère de la santé donc ministère de la santé c'est koy fonctionnel man le ministère de la santé mo fi affecté pour gérer gérer centre bi personnel bi fi liggéey ministère de la santé mo len fi affecté mooy fay ndox bi mooy fay courant bi donc ñun personne bi fi liggéey ministère moo ñuy fay kit yi tamit seemi moo ñu koy jox gratuitement waaw léegi nag convention bi ñu woon mooy ku ma ko ne ni ma ko expliqué woon tantôt malaat bi bu ñëwee fii day fay 10 000 10 000 boobu malade bi ci public bi du ko fay mais seemi moo koy remboursé hôpital bi mu nekk ñun nag comme dañ doon soog a tàmbali amuñu ligne budgétaire amuñu subvention

ba ministère tamit buñ démé ba def 2 ans euh, une année après gis tamit importance bi centre bi am commencé won nañ tamit ñu jox ay ndimbal ñomit ñi ci jappalé ci centre de Jali Saliou Fall. mais association bi comme moom mo tabaxon terrain moom mom terrain bi tabax ko djébal ko ministère rafet na bala ñuy dem feneen difa louer ay bureau ñu prévoir leen fi siège ñu nekk fi ak ñun légui nak Achir mi ngi fi il est là pour tous les malades ku gëm Achir ku gëmul Achir Achir mom ci njabootam nga bokk insuffisant rénal ku ko am ci Sénégal transplanté beeg malade bi duggagul dialyse ak malade bi nek dialyse ñëpp ci njabootu Achir lañ bokk Achir buy wax ñëpp lay waxal ñëpp lay taxawal ñëpp lay jappalé ñu waxam lool donc ñu ngi lancer encore appel population bi à l'image de Ecotra de Carrefour médical ku ci am sa ndimbal nga ñëw def ko pour une bonne prise en charge des malades analyse yi radio na rajo yi cher na régime alimentaire dafa cher seeni transport parce que am nañ ay malade yoo xam ne fii ba ay ndàngaan biir Saalum la ñuy jóge pour ñëw Dakar di fi jalis si am ñoo yeneen région yi la ñuy ñëw parce que foo am place rek da ngay daw dem foofu jalis ndax jalis mooy feebar mooy insuffisance rénale mooy feebar boo xam ne du la may dara boo egsee phase dialyse boo toogee une semaine dialysoo da nga sonn torop sa yaram yi dina néewi sa biir yi néewi sa tànk yi néewi sa kanam yi néewi dootoo xamante loo nekk mënoo ko mënoo toog une semaine dialysoo boo toogee deux semaines bëgg ñu bisil fa donc du la may dara encore une fois ñu ngi appel à tout le monde ñaari chambre yi ngeen di gis ay chambre d'hôte lañ koy def ni ko monsieur Seck waxee sànq SG dañu bokk dans un réseau des associations des émodialisées de l'espace UEMOA muy Rachir donc dañuy am ay gan ñoom nous sommes ñëw fi Sénégal am fi ay yitte yu ñu fiy dox si ñun Rachir di jël en charge jël en charge nous ñu leen daan yóbbu hôtel di yor seen restauration di yor seen transport te parfois association cotisation lay dundé. te cotisation yi mën naa ne léeg-léeg mu dugg léeg-léeg du dugg te duggatul sax sax <laughs> na yi cotisé <laughs> donc ci xaalis boobu lañ daan jël di leen di fayal hôtel di leen luyal oto yi leen waaw mbokk yi nga xam ne yéenay topp jot na média saa su ne lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey di visite bu ñu eh, eh, doon def fii nii ci centre d'hémodialyse Saliou Fall bi nekk ci zone de captage waaye gis ngeen li nga xam ne moom lañ leen toppal yépp on a visité du fond de fond en comble centre bi nga xam ne moom la ñu tabax fii bees mu di sur trois niveaux euh, association bi nga xam ne mooy di association des émojalisés du Sénégal ñoom tamit euh, seen ay locaux euh, fii la nekk ci kaw ñu koy fàttali rek nga xam ne képp ki nga xam ne am na xeetu jàngoro bi bu centre bi commencé fonctionner boo bëggee jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk associ association boobu fii ngay ñëw ci centre Saliou Fall ci zone de captage waaye nag euh, duñu tàggook tàggoog yéen te joxuñu euh, kàddu gi ki nga xam ne moo di euh, représentante ministère de la santé ndax am na kuñ fi yebal ndaxte centre bi ba ko association bi tabaxee ba pare da ko jébbal lii di ministère de la santé ñu jox ko moom it mu sànni ci ay kàddu rek laata ñuy tëj tàggoot gi yéen ba beneen madame ñu ngi lay nuyu. di di gërëm euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, initié projet bi euh, di waa Achir fexe ba tabax centre boo xam ne dina mën a soulager ñi nga xam ne dañuy souffrir de la dialyse ñu mën ci di leen di ci faj faj bu bu bu oyof ci ñoom euh, ba paré di sét ñi nga association en charge donc remercier remercier aussi projet bi di madame ñi nga euh, gérer toute l'architecture des centres di leen accompagner di euh, remercier aussi tous les partenaires qui ont eu à intervenir di leen nous ci équipement di leen jàppale ci wàllu matériel mais aussi de leen jàppale ci wàllu euh, euh, main d'œuvre ba mën a euh, centre bi mën atteindre ce niveau d'évolution donc on pourra citer Carrefour mais aussi Ecotra et les autres partenaires yi nga xam ne ne jàppale nañ leen ci mën a taxawal euh, euh, projet bi ba mën a jàppale ministère ci mu mën a euh, doxal politique publique bi nga xam ne dafay jàppale askan bi ci ñu faj seen seen i tawat ci nu mu gën a oyofee ci ñoom di leen remercier bu baax di remercier aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy professeur Abdou ak son équipe madame Fall et les autres yi nga xam ne ne ñoom ñi ngi fexe ba lii ministère di def di faj

képp koo xam ne ne jalis am nga problème mu jalis nit ñi mën la faj te doo am coono sa njaboot du ko am ndax jalis dafa doon feebar bu cher boo xam ne ne dafay euh, soxlo ay ay moyens yu bëree bëri bëri ñuy ñaan it partenaires yi nga xam ne ne it euh, bëgg nañ jàppale waa jalis yi ñu mën a ñëw ci association yi mën leen a jàppale ñu mën a gaaw a yeggal seen centre ba nga xam ne ne dañ mën a teel ubbi centre bi incha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum waaw mi ngi noonu loolu moo doon kàddu yi waaye tamit euh, ñoom it euh, duñ leen euh, dinañ leen jaajëfal ndaxte feebaruñu rek toog di xaar ñu faj leen dañoo feebar waaye ñoom ñooy jox si ay jéego pour li nga xam ni moo di équipement yi nga xam ni moom lañ soxla pour mën a faj seenu feebar ñoom ñooy dox ay jéego pour wuti loolu ñëw samp fi benn samp centre bu ñu mel war nañ leen jaajëfal delloo leen njukkal waaye yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen baaxoo duñ topp saay su ne dinañ leen jaajëfal delloo leen njukkal seen mbokk Omar Alioune Kane moo àndoon ak yéen jaa ngeen